Génération FM. Generation FM, the best radio. Priez sur notre euh, prophète bien-aimé. Euh, je souhaite euh, bonne fête à tout le monde et bonne santé et je demande pardon à tous les Chora et je leur pardonne. Et au nom du, maire absent, euh, j'adresse les meilleurs voeux. Et euh, le message qu'il m'a demandé de transmettre aux Chora, c'est de dire qu'il aurait vraiment souhaité être là parmi, euh, parmi nous, mais c'est une situation qui s'est inédite ou bien euh, favorable euh, s'est présenté. Donc après l'élection du président qui euh, Bassirou Diomaye il a été choisi comme Premier ministre. le lundi, c'était la prise de service. Mardi, le premier conseil des ministres, c'était très difficile de pouvoir se libérer pour venir passer la, la fête à Zienchamp. Mais le message que, que me demande de transmettre, que dès qu'il aura entendu en temps libre, il viendra discuter avec les Ziguinchorois parce que les Ziguinchorois l'ont choisi pour diriger la commune de Zienchor. Donc une situation s'est présentée, il ne pourra pas euh, continuer à diriger la, commune de Zienchor, mais quand même il, viendra discuter avec les populations pour leur dire quand même euh, tout le souhait euh, euh, qu'il veut euh, pour que Zéhenchor avance. par rapport au serment de l'imam, c'est un serment qui nous permet de, méditer. il nous a parlé de l'histoire de Youssouf, qui d'abord a eu une jalousie de ses frères, ensuite il y a eu euh, comme encore une femme qui, qui l'a accusé euh, d'harcèlement sexuel, euh, excusez-moi le terme, ces euh, euh, antillales bu le jox kattan ñu fekkee bi di ñaanal waa Ziguinchor ne leen déwénati di leen balu ak. nuyoo suñu maire Ousmane Sonko euh, na bëggoon na kii ñëw fekkee kii aide fi Ziguinchor comme nu ko doon defee ci euh, at yële passé mais euh, gis euh, ñëpp gis nañu daa am so soppeeku depuis buñu ñu euh Bassirou Diomaye Faye comme président de la République mu tabb ko comme kii euh, nguur gi

bu soobee yàlla bu euh, amee kii euh, euh, bu feexee tuuti dinañu saafante ak Ziguinchor waay waxtaan ak ñoom ne leen daa am ay domba tànk yoo xam ne ki loolu loolu la am domba tànk yooyu ñoo koy tax muy bàyyi maire bi Ziguinchor incha allah donc moom. Euh, en tout cas nee na ci xelam muy ci waa Ziguinchor ci discours euh, euh, serment imam en tout cas amna solo trop parce que histoire suñu président Diomaye Faye ak tamit premier ministre dañu delloo ci histoire yonent surtout yonent Youssouf jox na yonent Youssouf Génération FM Generation FM, the best radio.